alors honorable Gana bi ñu nous euh, euh, am déjà sa lecture qui journée tey bi ak rebondissement yi mu am euh, ci cadre du premier ministre yëkkati ba ci dogal yi président mu jeejël ban lecture nga ci def Wa, ah, jërëjëf Fatou di content ci laaj bi di wax rek le début moy suma wax dal ben la moy que né ay institution yu toll ni présidence de la république ak assemblée nationale waru nekk di polo loolu amalul njëriñ askan wi amalul njëriñ réew mi te loolu lañ seetlu depuis quelques jours euh, xiro ak ngaayoo diggante ñaari institution yi légui nak euh, bo seetee chaque fois décision bu ñu jël de part et d'autre c'est pas vraiment dans l'intérêt des Sénégalais mais c'est plus pour euh, régler ses propres problèmes politiques man non la gissé tay euh, li li fi xew ñële bëggoon nañ def motion de censure ñi né du ngeen ko fi défé ku ci nekk nag di ut ay arme euh, juridique pour euh, daan sa morom loolu rafetul ci dëkk bu mel ni Sénégal dëkk boo xam ne dañ dañ koy waxtaanee dëkk boo xam ne dañ ñun ñëpp ay mbokk lañ euh, vraiment loolu dama koy ñaawlu di wax ne que war nañ weesu foofu fi mu nekk nii li soxal Sénégal moo ñu liggéey ndax ndaw yi am ndax ndaw yi am liggéey ndaw yi am xëy nañu liggéey ndax koom-koom gi gën yokk yokku dund gi wàññeeku dëkkuwaay yi ñu cee jot mais nek fi di xuloo affaire politique mom vraiment war nañ ko weesu. Hmm. alors euh, lu jëm ci déclaration de politique générale bi ñu bëri yaakaaroon nañ ne du am mais gis nañu président décret bi mu mujjee génne boole na ci DPG bi ci session extraordinaire bi mu euh, woté ëlëk bu 10h heures euh, pour contrer justement euh, wa benn bokk yaakaar ak seen motion de censure bi mais yow nga japp né DPG waru fi mëna a am ndax lan. waxu ma ne waru fee mën a am dama ne mën naa bañ a am. mën naa bañ am te ma ne dina am. ok parce que boo boo boo boo defee croisement ci ñaar nga xool d' abord article quatre vingt sept règlement intérieur assemblée nationale bi nga xam ne moom mooy wax ci DPG. alinéa trois bi dañ la ciy wax ne que DPG bi balaa ñu balaa ñu koy amal dañ war a informer assemblée nationale juróom-ñetti fan balaa balaa balaa date biñ ko ba date ko dëgmal.

donc boo méngalee ñaari wax yooyu da ngay xam ne que DPG bi dañ ko bind noonu rek ci décret bi. Mm. waaye pare wuñ pour def ko devant assemblée bi. d' accord donc da nga jàpp ne dañ ko def peut être pour euh, euh, décourager waa Benno woon leen ne li ngeen bëgg a def du mën a sotti. xeexu politique la rek mooy li ma wax rek xeexu politique lañ nekk di def ku ci nekk ci sa côté yaa ngi xëccu di xool lan la la texte yi may pour nga mun a tëqatal sa morom. pour le moment gisaguñ fi ñu teg fi benn acte boo xam ne. c'est dans l'intérêt du Sénégal Posez-vous un acte pour que dafa Sénégal dina mm. parce que boo gisee décret bi ñu ne la euh, examen euh, loi de règlement loi de règlement vous xam nous nañ depuis 2023. Il faut que nous ko ba léegi ñu toog ba ci session extraordinaire mm. xam nga loolu amul amul amul urgence nga teg ci ratification ratification amul urgence nga teg ci CNDH comité <laughs> des des droits de l'homme loolu tamit amul urgence donc benn ponk rek moo ci am solo muy DTG man buñ ko tegoon ca kaw buñ ko tegoon ca kaw doon naa doon naa doon naa sax gis ne que jox nañ ko cër mais boo gisee ñu teg ko ci suuf ça veut dire que mooy point bi leen point boobu soxalu leen mm. daanaka donc euh, agencé nañ seen i point Euh, vraiment euh, il faut que ñu ñu ñu ñu avancer. il faut que bàyyi DPG mun na bañ am effectivement. DPG moom yaakaar pam defe naa ne dañ ko bind noonu ci décret bi rek mais. DPG buñ ko waxee mënuñ ko def suba mënuñ ko def gannaaw suba. Mhm. foog mu am juróom-ñetti fan. diggante biñ ko annoncé ak jour bi def DPG foog mu am ñetti fan règlement intérieur assemblée nationale moko ko wax ñetti fan le 12, le 12 minuit 0h 1 minute président mën na jël décret dans di tas assemblée nationale. assemblée nationale honorable euh, Théodore Montey euh, quelle est votre lecture sur les rebondissements qui ont marqué cette journée entre euh, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Alors, personnellement, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a eu des dissensions entre les, deux institutions les plus importantes de notre pays, euh, ce qui fait que nous sommes en train de, presque installer une crise de façon volontaire, ce qui n'est pas bon pour le pays, ce qui n'est pas bon pour le Sénégal ni pour les populations. Donc, euh, on devrait éviter euh, qu'il y ait des, des, entre l'Assemblée nationale et la présidence de la République ce sont des institutions qui doivent se parler. Euh, le, mode de dialogue est même organisé par la Constitution pour qu'on pour qu'ils puissent euh, pour qu'elles puissent à chaque fois prendre langue et trouver les meilleures solutions pour la bonne marche du pays. Ce qu'on a constaté depuis quelques jours, c'est que les des, deux côtés des bords politiques, les gens prennent des décisions, avancent euh, sur le champ politique de façon à, à régler leur propre... Euh, le propre problème politique. Ce n'est pas le Sénégal qui est mis en avant. Ce ne sont pas les intérêts du Sénégal qui sont mis en avant. On n'a vu aucune décision ici qui a été prise dans l'intérêt du, pays ni dans l'intérêt des populations. Le Sénégal a vraiment besoin d'avoir des dirigeants qui se mettent au travail pour que, euh, pour alléger la charge quotidienne des ménages, pour euh, donner du travail aux enfants, pour améliorer les conditions de vie, pour que les gens puissent accéder au logement, etc., etc. Euh, au lieu de cela, nous voyons deux chapelles politiques qui se querellent tous les jours, qui se, qui se jettent des invectives. Donc, euh, quand, quand on est en face de cette situation-là, on ne sait plus vraiment si on a euh, vraiment des dirigeants ou si c'est des enfantillages qu'on a devant nous. Mm. Honorable, vous pensez qu'on peut ne pas justement voir le Premier ministre rendre à l'Assemblée nationale pour faire sa déclaration de politique générale, même si cette DPG a été inscrite dans le dernier décret euh, pris par le président euh, de la République, Bassirou Diomaye Pourquoi vous pensez justement euh, qu'il peut ne pas y avoir de DPG le sentiment, le sentiment personnel que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de DPG. Pourquoi je le dis Parce que je fais une lecture croisée de deux choses. D'abord, euh, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui en son article 97 alinéa 3, dit très clairement que l'Assemblée doit être informée huit jours au moins avant la date retenue. Aujourd'hui, on est le 4. Si on y ajoute huit jours, on sera le 12, c'est-à-dire la date à laquelle le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Si vous ajoutez à cela la déclaration du Premier ministre qui disait tantôt que ces députés-là qui sont en train de s'agiter pour faire une motion de censure, ils ne seront même plus à l'Assemblée à partir du 12, vous voyez que euh, c'est quelque chose qu'on a inscrit comme ça dans le décret, mais dans, le fond, dans la réalité des choses, ils n'ont pas l'intention de faire cette DPJ. La seule raison que je vois, c'est que là, euh, tous ces décrets, toutes ces dispositions, les agitations de l'Assemblée, les décrets qui sortent depuis quelques jours, euh, ne, sont que des, des, actes politiques. Ce ne sont pas des actes de gouvernance, ce sont des actes politiques et on devrait éviter ça. Euh, on est, on est, les élections sont derrière nous. Un président a été élu, il a un gouvernement. Ce gouvernement doit se mettre au travail. Si on voulait vraiment faire une DPG, on l'aurait fait depuis le mois de juillet. Moi, je pense que rien n'empêchait au Premier ministre d'aller à l'Assemblée nationale et de faire sa déclaration de politique générale. Le prétexte du règlement intérieur était un faux prétexte parce que la DPG n'est pas gérée par le règlement intérieur. Encore une fois, c'est une disposition de notre Constitution qui l'impose au Premier ministre.